les mesures d'accompagnement seront prises par les services de l'État afin de réussir la transformation structurelle de notre élevage et d'en faire un secteur compétitif capable de satisfaire les besoins des populations en animaux, en produits dérivés surtout gagner les parts importantes de marché à l'extérieur. Je voudrais également vous dire que je vais personnellement m'engager dans l'élevage. À partir de l'année 2020, de Naout, tout pour de produire et euh, pour aussi di tous les acteurs yi nga élevage Mo xam animal bu animaux doon mo xam nag la xar pigeon gis fi pigeon bu am solo élevage même ay euh, animaux yo souvent daawuñ len baye xel té yépp légui sénégalais yi ñu ci intéressé wu kon éleveur à la personne du président de la république